waaw maa ngi ñëw Bambey tey euh, gis préfet parce que imam moom moom la dénk kaaraange département bi administration département moo ko yore donc lépp loo xam ne dañ koy def ci lii nga xam ne président de la République digle na ko kilifa diine yi digle ko kon moom la ñu war a jaar pour lépp lu ñuy joxe ñu jaarale ko ci bopp may sant nag di gërëm yeneen responsable xam naa am na ñu ma jiitu ñu njëkk a joxe waaye damay ñëw rek dolli ci loolu que ñun ñëpp noo bokk mbir mi noo bokk dëkk ñoo bokk yéene yi kon ñoo bokk yéene yi kon loolu mooy samay tànk euh, bu ma sañoon nag bon waxoon naa ko euh, xam naa ni ma naaje moo tax parce que dama tardé ci yoon wi mais euh, maire ci turam laa koy def parce que mooy dëkk bi ci turam laa koy def waxoon naa ko bu ñëw mu fekki ko mais ci turam laay wax ak turu responsable yi fi nekk yëpp ci département bi xam ne que lii damaa ñëw rek dolli ko ci li nga xam ne def nañu ko xeeb ko lool nag xeeb ko lool nag yéene ji ëpp na lii waaye nag xëy na foofu la kàttan bi ma di ci profité sam nag di di remercier quand même euh, directeur général de la Société nationale de recouvrement la SNR Bassirou Ngom qui m'a beaucoup appuyé dans cette affaire là donc war nañ ko wax nekk jàppale ñu wax dëgg yàlla ci loolu kon di wax rek préfet ne ko wax dëgg yàlla ñoo ngi ci wetam ci li nga xam ne xam nañu ko ak mën nañu ko ci département bi pour jàppale ko parce que dama bëgg ñeneen ñu ko fi jiitu woon bi ñu fa jógee dañoo yéeg kon ñuy ñaan aussi moom bu fi jógee yàlla na ko yàlla yéegal waaye yéene nañ ko ko yéene ko ñëpp ñoo ngi sant daal bu baax a baax di gërëm di ñaan yàlla daal yàlla nañu yàlla aar musiba mii nga xam ne yàlla wàccee na ko yàlla moom rek moo ko wàccee yàlla na ko delloo yàlla na ko yóbbu kon ñu continuer di ñaan parce que ñaan la ñu am ay jullit lañu waaye li ci gën a am solo mooy adduna bi yëpp ñëpp léegi seen xel dellu na ci yàlla waaye que loolu au moins atu Euh, am na déjà ñëpp koo wax ak nation bu man di doon xeet woo man di doon ñëpp del nañ ci yàlla je crois que loolu aussi je crois lu jara sant la ci li nga xam ne parce que dañuy wax ne souvent ay jàmm mën na caa jóge ay wu nekk jàmm mën na caa jóge lii itam yàlla ci jàmm jóge ñu tàppale xol yi seetaat ku nekk sa bopp ak sa morom ñu seetaat suñu bopp ki nga xam ne ni ñuy taxawee ni ñuy doxee ni ñuy waxee ni ñuy jëfee bu nu ko seetee bu baax a baax dellu ginnaaw dellu ci yàlla yàlla mën na noo musal. jërëjëf jërëjëf hmm? waaw loi d'habilitation bi mooy nga xam ne dañoo may kilifa gi moo xam ne da ciy def loo xam ne li ci yoon lañ ko war a di jaarale mais ñu may ko ko moom yaakaar naa ne li ma ci dégg moom am na ñoo xam ne euh, wax dëgg yàlla xaw nañ koo euh, ñagasal ñax ñaxtu ci bon àdduna nag moo demee noonu àdduna moom. ñëpp ànd répp masu mosul am fenn du du am ba ba àll yu mais li ci am solo mooy ñi ëpp d'accord nañ ci que ñu def ko def nañu ko ci jàmm ah, yàlla jur jàmm parce que comme président la moom lañuy fal pour que jox ko lenge yi pour mu aar réew mi yaakaar naa lenge yi war nañ ko jox lenge yu dëgër yoo xam ne dina mën a tax li nga xam ne moom la ko askan wi taxaw ci jërëjëf. Merci beaucoup. Euh, je suis à Bambé aujourd'hui, je ne dirais pas avec plaisir parce que euh, c'est une situation quand même euh, qui préoccupe, mais je tenais quand même à venir auprès du préfet, Madame le préfet. J'avais demandé également à monsieur le maire d'être là parce que c'est sous son autorité que nous agissons et sous l'autorité de tous les responsables du département. Parce que je sais qu'il y en a déjà qui m'ont précédé, qui ont fait des efforts. Je venais aussi, moi aussi, apporter ma pierre à l'édifice suite à l'appel du président de la République, suite à l'appel des chefs religieux de toutes confessions confondues, suite à l'appel en tout cas de tous les leaders, nous devons nous tous, Sénégalais, nous mobiliser pour faire face et en avant, vous avez l'administration. C'est pourquoi j'avais tenu à venir auprès de Madame le préfet, à qui je souhaite en tout cas un bon séjour à Bandé, comme je lui ai dit tantôt. J'aurais bien aimé la, rencontrer avant cela, mais bon, d'une pierre deux coups. En tout cas, on aura l'occasion encore, dans des moments plus heureux que nous souhaitons, de pouvoir en tout cas pouvoir discuter et lui apporter tout notre soutien dans le, dans le département. Je suis venu donc apporter de façon symbolique ma contribution, qui est à mon avis maigre, qui n'est pas à la hauteur en tout cas de ce que j'ai sur le cœur, mais euh, les choses étant ce qu'elles sont, en tout cas, c'est un geste que j'ai fait pour participer à l'effort de guerre, comme vous l'avez dit, pour faire face à cette pandémie. Tout en souhaitant, en tout cas, comme tout le monde le fait, le fait souhaitant que, en tout cas, cette pandémie puisse en tout cas être éradiquée le plus rapidement possible. Madame le Préfet, comme je vous l'ai dit, nous sommes à votre disposition pour partager avec vous toute l'expérience que nous avons dans ce département pour vous permettre en tout cas de réussir. Et je vous souhaite, comme vos prédécesseurs, parce que je vous ai dit, j'ai connu beaucoup de préfets qui sont passés à Bambé, mais après, on connaît des promotions. Je souhaite qu'on en soit de même pour vous. Euh, en tout cas, je vous souhaite bonne santé, je vous souhaite en tout cas bonne réussite dans cette lutte-là, et je salue tous les parents de Bambay, du Sénégal, du monde entier, et vous dire que, en tout cas, c'était ça ma mission, en tout cas ici euh, à, à Je dois conduire dans toute étapes, mais sachez tout cas, nous sommes à l'écoute. Souhaitons que ça s'arrête là, mais nous sommes à l'écoute, tout pour pouvoir apporter nos contributions en tant que personne. c'était ça l'essentiel de ma venue. Je vous remercie vous aussi la presse parce que vous jouez un grand rôle dans cette œuvre de sensibilisation pour que les populations respectent euh, les consignes, quoi, les indications euh, des professionnels pour qu'on puisse quand même éradiquer ce mal-là. Je vous remercie. Une question d'actualité. Une loi d'habilitation a été votée à l'Assemblée nationale. Certains pensent même que, même s'ils ne le disent pas tout haut, euh, ils disent que c'est donner trop de pouvoir au président de la République. Votre commentaire par rapport à ça Vous me permettez d'abord, avant d'aborder cette question, en tout cas d'avoir une pensée pieuse euh, la mémoire de notre compatriote, mon homonyme, Pape D'ailleurs, il y a beaucoup qui ont pensé à moi pendant qu'ils ont appris le décès. C'est dire aux uns aux autres que Dieu, en tout cas, me prête encore vie, je suis là. Mais euh, c'est un monsieur que j'ai connu et qui est en fait d'une sympathie euh, vraiment indescriptible. En tout cas, nous souhaitons que Dieu l'accueille à son pareil. Euh, pour la question, en tout cas, de euh, la loi de réhabilitation. C'est normal, hein. bon, je pense que euh, s'il est vrai même que parfois c'est euh, un peu mal placé, parfois quand, des, quand tout le monde se mobilise pour faire face à une pandémie, que quand même certaines questions soient un peu agitées. Mais c'est normal, c'est normal. Bon, l'opposition joue son rôle, en tout cas certains jouent leur rôle, je ne l'en pas. Mais je pense que compte tenu des situations mondiales, de cette pandémie qui fait en tout cas beaucoup de ravages, je pense qu'il faut armer le président de la République qu'on a élu pour défendre en tout cas le peuple sénégalais. Je pense que donc, euh, euh, heureusement que la loi est passée, euh, on n'en discute plus, c'est passé. En tout cas, s'il faut encore d'autres pouvoirs pour faire face, je pense qu'il faut, en tout cas, la situation De demande. Donc, j'appelle tous les Sénégalais comme on l'a déjà montré jusqu'ici, en tout cas, de faire bloc pour faire face. C'est ça que, en mon souhait le plus absolu.